le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou passé de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu, Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le Studio Kalangu, c'est un rappel, est présent dans 20, dans 20 localités du Niger à travers un réseau de radio partenaires. Ces radio partenaires qui diffusent les programmes du Studio Kalangu en direct sont basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Chirozé de Menesoroa, de Magaria, Tamaski, Bouza, Filingué, Birningaure, Dolbel et Saï. État des lieux de la formation professionnelle et technique au Niger, c'est la thématique principale autour de laquelle nous allons échanger ce soir pendant 45 minutes. Quel est l'apport de la formation professionnelle et technique dans le développement socio-économique du Niger L'enseignement professionnel et technique d'aujourd'hui répond-il à l'objectif de départ Les jeunes qui ont pu suivre une formation professionnelle et technique arrivent-ils à se prendre en charge quelles sont les principales difficultés qui minent le domaine de l'enseignement technique et professionnel Que faire pour que cet enseignement puisse être un véritable levier de développement avec nous autour du plateau pour en discuter, Haladou Magaji, directeur de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage au ministère des enseignements, de l'enseignement, des enseignements professionnels et techniques. Nous attendons d'un moment à l'autre Nassirou Moukaila, qui est secrétaire général de l'Union des écoles et instituts de l'enseignement professionnel et technique du Niger, IEPTN. Bonsoir à tous. Vous êtes euh, sur le forum Distudio studio État des lieux de la formation professionnelle et technique au Niger, Comment répondre aux besoins du marché de l'emploi en ressources humaines compétentes et qualifiées Comment donner une chance à ceux qui n'ont pas pu achever leur cycle scolaire d'apprendre un métier Voulant répondre à ces questions, le Niger a opté pour la mise en place de plusieurs centres de formation ou de perfectionnement professionnel et technique qui accueillent des centaines de jeunes chaque année et même des travailleurs de divers domaines qui viennent se perfectionner. On distingue la, la formation professionnelle tout cours de la formation professionnelle continue. La formation professionnelle est perçue comme un ensemble des activités visant à permettre d'acquérir les capacités pratiques, les connaissances et les attitudes requises pour occuper un emploi relevant d'une profession ou d'un groupe de professions dans une branche de l'activité économique. La formation professionnelle continue, quant à elle, désigne toute formation professionnelle entreprise par un travailleur tout au long de sa vie active. Au Niger, il existe deux types de centres de formation. Il y a les centres publics et les centres privés. Pour ce qui est des centres publics, il y en a six sortes, à savoir les centres de formation en développement communautaire CFDC au nombre de 114. Les CFDC préparent au certificat de qualification professionnelle. Les centres de formation professionnelle préparent les élèves pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ils sont au nombre de deux. Les centres de formation professionnelle technique euh, régionaux préparent au brevet d'études professionnelles BEP et sont au nombre de dix. Les lycées technologiques préparant au bac technologique, les lycées professionnels préparant au bac pro et les IUT préparant au BTS et au à la licence professionnelle. Veuillez nous faire euh, euh, monsieur le directeur, Aladou Magaji, monsieur le directeur euh, euh, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage au niveau du ministère des Enseignements professionnels et techniques, veuillez nous faire une brève présentation peut-être de votre direction. Bien, merci. je voudrais saisir l'occasion que la radio Kalangu m'offre ce soir, euh, me faisant représenter en tout cas le ministère des enseignements professionnels et techniques, au niveau de votre studio pour pouvoir euh, débattre d'un certain nombre de thématiques et à commencer donc euh, ma direction comme est intitulée Direction de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. C'est une direction qui a été créée depuis les années 2007. Euh, on va revenir sur l'historique du ministère bientôt. Et cette direction et se trouve euh, dans, une direction générale qui s'appelle Direction générale des enseignements et des formations et qui, cette direction générale, regroupe actuellement euh, avec euh, la situation actuelle, puisqu'il y a un décret encore qui n'est pas mis en application, et bientôt par les nominations. Selon donc l'ancienne dénomination, c'est la euh, direction des, euh, générale des enseignements et des formations qui regroupe cinq directions au total, y compris donc euh, la, D'accord. Et quelle est la principale mission ou la mission assignée à cette direction Comme elle est dénommée Direction de la formation professionnelle continue, vous savez que les organisations professionnelles, les entreprises, les sociétés, tous ceux qui concernent le privé de façon générale, ils ont besoin de la formation professionnelle continue. C'est des professionnels, ils connaissent déjà, ils, ont déjà un premier métier, donc il leur faut quand même un, une formation continue, donc une durant le une sorte de recyclage, une sorte de recyclage, de perfectionnement et de spécialisation au cours de leur cycle, de leur carrière. Donc ça, c'est ce volet-là qui est pris en charge grâce à la mise en place du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le FAPA, où le FAPA reçoit un certain nombre de Nous allons revenir par rapport à ces détails. Peut-être juste la, mission donc qui a cet voilà. la mission, de perfectionnement donc, faire, le, de faire la formation déjà sur le terrain qui travaillent. Et ensuite, faire la formation initiale de ceux-là dont vous venez de parler, qui étaient des dans jeunes, le CFDC, de qui sont maintenant dénommés CFM, CFM et ensuite faire de l'apprentissage, qu'il soit de type dual ou de l'apprentissage par alternance de façon générale. D'accord. Un mot peut-être sur l'historique de la création même des écoles professionnelles et, techniques euh, au, Niger. Bien, et, si vous voulez, je voulais donner une petite introduction d'abord avant de venir à cette, à, historique. En fait, trop long Oui, ça ne va pas être long. Vous savez que le Niger s'est doté vraiment depuis 2012 du programme euh, de développement économique et social P2S 2012-2015 qui, était qui est vraiment un programme complet et qui vraiment fixe les perspectives et les stratégies de développement économique et social du pays. Après ce programme, il y a eu le programme sectoriel de l'éducation et de la formation que nous appelons PSF et qui a pris en compte le cadrage macroéconomique contenu dans le PDS. Maintenant, il en est résulté euh, la politique éducative qui, elle aussi, a pris en compte toutes les orientations, tous les cadrages du PDS à travers donc l'UPSF. Voilà un peu de façon générale pour dire que eh, les, les, termes de la politique éducative, n'est-ce pas, du Niger réaffirment les engagements pris par le président de la République dans son programme de renaissance du Niger de faire de l'éducation et de la formation sa priorité ainsi que celle de son gouvernement. Voilà un peu l'introduction que je voudrais faire avant de pouvoir me lancer. Donc, pour revenir à l'historique, eh, si vous permettez, l'historique est long, mais il fallait donc, comme vous voulez, euh, chose, je voudrais quand même donner l'historique même d'où vient le ministère. Parce que auparavant, le ministère n'existait pas. Et en 1997, il y avait eu eh, euh, l'enseignement et la formation professionnelle appartenaient dans une direction qu'on appelait direction de l'enseignement secondaire et technique, DEST, qui était au ministère de l'Éducation nationale. Alors, suite à un atelier, n'est-ce pas, sur la restructuration et le perfectionnement des appareils de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui s'est basé ici même à Niamey, eh bien, une recommandation forte a été de pouvoir créer une direction qui va prendre en charge le sous-secteur de l'EFPT, enseignement et formation professionnelle et technique. Plutôt que de, de laisser que, de, un de rester, aussi vaste. Voilà, vous comprenez. Maintenant, après cela, ça a évolué. En 1998, vraiment, cet enseignement et formation professionnelle et technique, la direction est née. C'est ça qu'on appelle DEFPT direction de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Cette direction est restée au ministère de l'Éducation nationale et puis a été transférée depuis 2002 au ministère de l'enseignement secondaire et supérieur de la recherche et la technologie. Vous suivez un peu l'évolution. Oui, de l'enseignement secondaire. Mais, euh, certes, auparavant. Donc, cette direction avait un certain nombre d'attributions. Bon, on ne va pas revenir ah sur les attributions. Mais on va continuer sur l'histoire pour voir d'où vient le ministère. Eh bien, à partir de 2004, ce même ministère de l'enseignement secondaire a engagé un chantier d'élaboration d'un avant-projet de politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Ce chantier a abouti et la chance a souri, ce qu'à partir de, 2005, le ministère de la formation professionnelle et technique chargé de l'emploi des jeunes a été créé. À partir de 2005. À partir de 2005. Donc MFPT bar EJ, il a été créé. Et ça, c'est en attendant un an avant donc l'adoption par le gouvernement de la politique sectorielle de l'éducation, euh, de la politique sectorielle de l'EFPT prise en Conseil des ministres en mars 2006. Vous voyez. Maintenant, après ça, dans 2007, maintenant, le ministère est devenu ministère de la formation professionnelle et technique, MFPT tout court. Puis, suite aux événements de, de 2010, la transition a dénommé le ministère ministère de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Pourquoi Parce qu'il y, avait, euh, il y avait cet aspect qui était omis. Très bien. Nous reviendrons parce que vous avez parlé d'un dispositif CFDC que moi je gère hein, depuis mon arrivée à, à Niamey en, en, tant que directeur. C'est ça, ça que je gère. Cet aspect-là, cet aspect, c'est il faut faire de l'alphabétisation aux non-scolarisés Ceux qui n'ont jamais été à l'école. Bien, je continue l'historique pour pour, pour, pour finir. Ensuite, à partir de 2011, nous avons eu un ministère de la formation professionnelle chargé de l'emploi. Vous vous, euh, souvenez, nous étions formation professionnelle et emploi. Après cette dénomination, maintenant, à partir de 2013, nous sommes devenus ministère des enseignements professionnels et techniques, et jusqu'à ce jour où est parti l'enseignement et où est parti euh, l'alphabétisation, où est parti l'emploi. Donc c'est encore là où c'est c'est pas encore dans notre ministère l'alphabétisation est retournée là où elle était, c'est-à-dire à, l'éducation nationale primaire, et l'emploi s'est vu érigé en un ministère aujourd'hui qui existe. Voilà la réponse que je peux vous donner. Euh, juste ce que je voulais soulever, c'est qu'on sait que les, centres de formation et les écoles professionnelles, il y en a qui existaient avant même euh, que. Très bien. Si vous voulez, on revient maintenant sur la partie le, dispositif de formation. L'objectif de départ était de, permettre justement aux, jeunes d'apprendre un métier. Exactement. Exactement. Je vais revenir par, cette question en abordant de façon générale les dispositifs de formation qui sont du nouveaux moyens sous tutelle d'abord du ministère. Pendant de très longues années, euh, euh, le sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, n'a pas connu d'évolution, comme vous l'avez remarqué. Nous étions nous avons un seul lycée technique qui a fait on a fait 40 ans avec un seul lycée technique. Vous parlez du lycée d'Ankasawa Lycée que j'ai fréquenté euh, et que là où j'ai enseigné. Et je viens de là-bas. Maintenant, quelques centres ont commencé à se développer du niveau élémentaire et moyen. La priorité était à l'investissement dans l'éducation de base que nous avons vu avec les PDE, euh, tous les genres de programmes qui, ont eu au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, ce n'est qu'à partir de 2002 qu'on a commencé à créer des centres qu'on appelle centres de formation professionnelle et technique, CFPT, mhm. qui sont venus dans, les régions. Ça aussi, c'est dans les chefs-lieux de région. Vous voyez, jusque-là, on n'a mm-hmm. pas pensé au monde rural, mm-hmm. les, localités rurales. Je continue. Ces CFPT, c'est eux qui délivrent le BEP, brevet d'études professionnelles, professionnel, après deux ans de formation. Et on rentre avec le BPC. E Je continue pour dire qu'aujourd'hui, à partir de l'année 2010, nous avons eu l'évolution de création de six lycées. Six lycées régionaux sont, sont, venus appuyer. Maintenant, de 2014 à 2015, vous vous, rappelez qu'on a supprimé l'entrée en sixième, le concours d'entrée en sixième. Le, certificat. Le certificat. Eh bien, il y avait un, un flou d'apprenants, d'élèves qui sortent du CM2 et qu'il faut vraiment que le gouvernement nigérien absorbe et qu'il arrive à les, à les recaser. C'est là à, partir de cette année que sont nés les collèges d'enseignement technique CET, qui sont dans 63 départements du Niger, plus les 15 arrondissements de villes ou de euh, communaux, ça fait au total 78. Donc ces CET-là, e c'est eux la nouveauté, si on peut appeler nouveauté, parce que c'est des sortants du CM2 donc, ceux qui sont censés être certifiés. Collège d'enseignement technique. Tout comme au collège d'enseignement général, c'est les mêmes conditions d'accès. Ce n'est pas des, des, élèves qui ne sont pas travailleurs qu'on doit amener, non. Avec formation avec... une formation de, quatre 4 ans, au début, on, fait de l'enseignement général comme les CEG, et à partir du niveau 4 on commence à leur faire de la pratique et jusqu'à la fin du cycle de troisième. Voilà et en ce qui concerne la nouveauté. De façon globale, au, niveau du, du, formel. Ça, je vous parle du formel. Nous allons peut-être avancer. Nous allons, nous allons peut-être avancer parce qu'on ne peut pas, on euh, peut tout, pas tout détailler. parce que jusque-là, je ne suis pas venu au monde rural. Nous allons revenir peut-être dans, les détails. Nous allons revenir. on, continue. Donc, beaucoup n'arrivent ne, pas à concevoir jusque-là en quoi est-ce que la formation professionnelle et, technique profite au développement socio-économique ah, bien sûr, ça profite. Pourquoi je dis ça, Je vais vous donner un, petit, un petit exemple. Avant les années 2000, je prends l'exemple de l'année 2008. Quand vous êtes, par exemple, dans un village et que vous voulez vous faire confectionner un lit en bois ou en métal, il vous faut un déplacement de longue distance ou dans un centre qui se trouve ou dans un atelier qui se trouve dans un chef-lieu de département ou bien venir dans un chef-lieu de région. Parce qu'il n'y a pas. Euh, voilà, parce qu'il n'y a pas de dispositif de formation et il n'y a pas donc de diversification de l'offre de formation. Aujourd'hui, nous sommes dans les euh, la mise en œuvre de la. C'est une mesure qui a été recommandée dans le, le, le cadre de la politique sectorielle de, de mars 2006. Il faut diversifier l'offre de formation. Et l'État du Niger, à travers les partenaires l'appui des partenaires techniques et l'appui des, collectivités, l'État est en train d'aller vers la diversification de l'offre de formation. Et ça, c'est vraiment une prouesse. Il faut le saluer. Alors, euh, si nous, allons passer à la deuxième partie de cette émission qui concerne donc notamment euh, à faire l'état des lieux de la formation professionnelle telle qu'elle se présente aujourd'hui. Combien de ces établissements aujourd'hui fonctionnent réellement avec toute leur infrastructure au complet Bien, Là, c'est là, où, euh, quand vous parlez d'infrastructure au complet, c'est là où je vais donc euh, un peu euh, donner quelques détails. Je vais commencer, puisque j'avais fait un étalage sur le formel, je vais aborder le non formel maintenant. Et je vous ai dit que moi, ma direction évolue dans le non formel. Au non formel, on peut citer de nombreux dispositifs, n'est-ce pas, qui sont dédiés aux non scolarisés et aux déscolarisés, comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsque vous présentez les CFDC. Et ils sont en zone rurale ou périurbaine. Et c'est pour donner une réponse à une forte demande sociale comme vous l'avez évoqué, en matière d'apprentissage des métiers. Parce qu'on n'apprenait pas les métiers à ces jeunes-là. C'est pourquoi il y a trop d'exodes. Il, y a, beaucoup de, de, petits mots comme la délinquance juvénile quand ils viennent en ville, etc. etc. La Maintenant, la criminalité, comme on peut le citer. Et, tout ceci, ça doit participer, ça doit concourir à leur insertion socio-économique. Entre autres, donc, dispositifs qui sont dédiés au monde de, de, se, se trouvent ces centres de formation au métier qui étaient auparavant appelés centres de de formation en développement communautaire, CFDC. Depuis le 15 août, n'est-ce pas, 2014, ils sont devenus CFM, Centre de formation au métier. Qui sont basés dans les, qui sont basés dans toutes les communes, toutes les communes rurales ou urbaines et, arrondissements de ville. À la date d'aujourd'hui, nous avons 257 créés qui sont créés, mais deux à la rentrée de 2016-2017, l'actuelle donc année scolaire, 246 fonctionnent. Mais je vais expliquer pourquoi, euh, euh, quand vous parlez d'infrastructure, c'est des dispositifs, nous, nous pouvons faire fonctionner un dispositif même dans des locaux d'emprunt. Les maires ont un certain nombre de critères qu'ils respectent en demandant au ministre des enseignements professionnels de leur doter de ces centres-là. Et en respectant ces critères, il y a les locaux d'emprunt en attendant la construction définitive. Qu'est-ce que vous appelez les, les locaux, d'emprunt C'est une ou deux salles de classe où on peut faire un premier recrutement d'apprenants, ouvrir une filière la plus, la, la, plus facile, à, à, faire fonctionner, à gérer, et affecter des enseignants, nommer un directeur, etc., faire fonctionner le dispositif. Et c'est à ça que je donne donc le chiffre est de 246 qui fonctionnent actuellement et qui ont donné à la rentrée là en mars, quand j'ai fait la situation, il y a 25 589 apprenants dans ces dispositifs, soit 11 euh, 819 filles et 13 770 garçons. Ça, c'est la situation de mars 2016, euh, de 2017. De 2017. 2017 que je vous donne. Voilà en ce qui concerne ces il y a un autre type de dispositif que le ministre euh, des enseignements professionnels vient de, découvrir récemment, la semaine passée, suite à une mission qu'il a effectuée à Dosso. C'est les sites intégrés de formation agricole, SIFA, mhm. qui, une, est une initiative de l'ONG Suscontact et que nous cherchons maintenant à institutionnaliser. Pour le moment, ils ne sont pas reconnus, mais ils seront reconnus bientôt parce que nous sommes en élaboration des textes ces sites intégrés-là euh, en, agriculture Oui, c'est eux qui font les formations agro-silvopastorales. pastorales ah. Le maraîchage, la, production végétale, la production. À des jeunes ou. Euh, à, des jeunes de, âgés de, 14 à 25 ans. Le même groupe cible que les CFM. Les CFM, les centres de formation, au, métier, Je continue. Il y a un autre dispositif qui, ici même à Niamey, le centre des métiers de cure et d'art du, du Niger, de Niamey. Lui, il, développe des formations professionnalisantes dans le domaine des cuirs et peaux que vous savez bien, ça fait partie, ça fait grossir l'artisanat. Or, c'est le secteur qui est identifié comme porteur. Ça, c'est important. Il y a également un autre dispositif que nous avons à Ndunga, le Centre national de participation, SNP. Oui. Eh bien, ce centre-là, il cumule un nombre d'effectifs. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ils sont 179 qui sont en formation à Ndunga, dont 5 filles. Et c'est dans le domaine des filières industrielles et des filières agro, du, secteur primaire, c'est-à-dire agro pastoral ah, Voilà un étalage. Maintenant, le fonds d'appui qui est votre voisin à la formation professionnelle, lui, il finance les formations professionnalisantes et l'apprentissage de façon globale. Et à la date d'aujourd'hui, je peux vous donner un chiffre d'environ 1600 apprenants entre 2016 et, et, la date d'aujourd'hui où je vous parle, 1616 apprenants sont, certains ont, fini leur apprentissage et ils ont reçu des attestations de fin de formation. Voilà, et tous ces groupes cibles-là, c'est le groupe cible âgé de 14 à 25 ans, voire au-delà de 25 ans. Et ça, vous, vous avez parlé du secteur dans le domaine du non formel. C'est le non formel, ça. Ça, c'est le non formel parce que ce n'est pas une formation résidielle c'est-à-dire où, on, réside dans l'établissement. Vous voyez et le seul, euh, le seul, le, seul cas, c'est le centre de formation de, choses où vraiment c'est résiduel et le SNP plus les CFM, mais que c'est adressé aux non scolarisés et aux déscolarisés. C'est ça qui fait des, non formels. Voilà. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'à peu près 25 000, en tout cas pour. pour voilà, qui, sont de De Centre mhm. de formation au métier. Vous avez cité aussi le nombre de 1600 euh, formés, entre autres. Oui. Est-ce que vous avez euh, des chiffres par rapport aux débouchés euh, auxquels ces, apprenants arrivent Est-ce que ces personnes qui ont reçu toutes ces formations, mhm. est-ce que vous avez des chiffres montrant le nombre euh, d'entre eux qui ont pu euh, démarrer un, travail. Bon, ça, vous, entrez dans un domaine de, l'insertion. Le domaine de l'insertion, en ce qui concerne l'insertion au sein du ministère, et le ministère a une direction générale d'orientation et de l'insertion professionnelle. Et ce que nous faisons, c'est de... Il y a une direction qui s'occupe de l'accompagnement des groupes spécifiques, une autre direction qui s'occupe de l'orientation et du stage professionnel, c'est-à-dire on oriente ces enfants-là, bien qu'ils soient diplômés ou bien d'une attestation ou d'un diplôme du formel, on les oriente quand même dans le cadre de euh, comment ils vont avoir un métier ou un stage, à partir du stage ils vont ils vont s'insérer, ou bien euh, ils, vont, ils vont être regroupés sous forme de GIE, hein, groupement d'intérêt euh, économique, pour pouvoir s'insérer sur leur propre compte. Donc c'est ce travail-là, le ministère est en train de le déployer à travers le programme de développement des compétences pour la croissance, le PRODEC, financé par la Banque mondiale et qui a été confié à l'ANPE. L'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Voilà donc euh, là où on peut avoir des chiffres. Moi, je suis un directeur technique, je n'ai pas ces chiffres-là. Mais je sais que le ministère se déploie dans, cette perspective et il a mis en place dans les différentes, euh, régions du pays 23 plateformes d'orientation et d'insertion. Dont, leur rôle est Dont le rôle est de, recevoir ces jeunes-là qui viennent, chercher des informations, comment il faut s'orienter, comment il faut avoir un stage, etc. Il comment y a démarrer. comment démarrer, vraiment. Donc vraiment, voilà ce que le ministère est en train de faire comme effort. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut savoir à ce jour comment fonctionnent euh, les centres de formation et écoles professionnelles euh, qui existent à travers le Niger Oui, savoir que ce soit c'est que vous, vous, appelez le non formel et le formel. Oui. Bon, et, pour savoir comment ils fonctionnent, pour qu'un établissement fonctionne, c'est quoi Il faut d'abord des infrastructures. N'est-ce pas Il faut les ressources humaines. Il faut ce que les certaines personnes ne veulent pas entendre, que nous appelons toujours la matière d'œuvre, c'est-à-dire la matière première, c'est avec ça qu'il faut faire les travaux pratiques. Un centre sans travaux pratiques, c'est un centre théorique. Donc, voilà les éléments. il faut, les, il faut les curricula. les curricula, c'est les programmes les référentiels, etc. Tout ça, il faut des moyens pour les produire. Alors, est-ce que, est-ce que, au vu de, à ces jours, est-ce que vous pensez que tout cela est, respecté N'est-ce pas là le, Pour le moment, je dirais que nous travaillons avec l'existant et nous sommes en train d'améliorer cet existant. Mais certainement, vous allez me poser la question, nous viendrons aux obstacles. C'est dans les obstacles. nous nous y sommes déjà. Puisque nous y sommes, puisque nous sommes dans les obstacles, eh bien, permettez-moi de parler un peu de la qualité, parce que ça, là, ça relève de la qualité. La qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, c'est d'abord et surtout ce que je viens de dire là, les ressources mises en, place. Il s'agit de la qualité des curricula. Je commence par eux. Oui. Curricula et programme. Je commence par les ressources humaines. On ne peut pas travailler sans les hommes et des hommes qualifiés. N'est-ce pas Les formateurs et l'encadrement pédagogique il faut les formateurs, il faut qu'on les encadre aussi, parce qu'il y a des jeunes, n'est-ce pas Il y a aussi la qualité des équipements. Le, la plupart des anciens établissements ont des, euh, équipements obsolètes. Donc, il y en a qui n'existent même plus aujourd'hui. dans certains établissements... il faut ces équipements-là et il faut aussi des outils et des matériels pédagogiques adaptés. Voilà les éléments clés qui vont conditionner les, la qualité. Mais cependant, je, je reconnais, la faiblesse des allocations budgétaires, parce qu'il faut, il faut parler de ça aussi. La faiblesse des, allocations budgétaires du sous-secteur réduit les capacités d'équipement, de formation des formateurs, du personnel d'encadrement. La part du budget de notre EFPT, n'est-ce pas, à lui, elle, elle, reste toujours insuffisante, malgré que nous avons observé une légère amélioration depuis l'année 2011. Chaque année, ça s'améliore. Mais cette amélioration n'est pas sensible, de façon à ce que ça puisse permettre de faire face à toute la demande. De, formation du point de vue qualité. Mais, eh, eh, est-ce que est-ce qu'il n'existe pas un programme euh, un programme d'amélioration euh, que vous avez élaboré et qui vous permet de prioriser euh, au, fur et à mesure il y, il y, a, bien sûr un programme. Le ministère s'est doté d'un plan d'action pour l'année 2017. À partir de 2018, nous allons rentrer dans le, pro, dans le budget programme. Ça, c'est euh, euh, euh, la, la, la, la, recommandation de l'UOMOA. Et donc, pour l'année 2017, déjà, nous avons un plan d'action 2017 qui est mis en place et qui est appuyé par tous nos payeurs de fonds à travers ce qu'on appelle le fonds commun. À partir de juillet, le fonds commun va commencer. Mais en attendant, certains programmes et projets sont en train d'appuyer le ministère, plus ce que fait l'État pour pouvoir mener à bien la mission à lui confier. Alors, dans ce cas, on, ne parle pas d'insuffisance d'allocation budgétaire. Non, malgré tout, même les, fonds, les bailleurs de fonds reconnaissent qu'il y a insuffisance. C'est avec eux qu'on échange. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est insuffisant. Donc, vous reconnaîtrez avec moi, puisque nous parlons d'obstacles, euh, euh, la, première, insuffisance qu'on peut citer, c'est cette, euh, insuffisance d'allocation budgétaire, malgré les efforts déployés par l'État et par les partenaires. La deuxième qu'on peut soulever, c'est les infrastructures. Parce que je vous ai parlé de locaux d'emprunt. La plupart de nos établissements se trouvent dans les locaux d'emprunt. Nous voulons être dans des locaux définitifs, euh, matériaux définitifs, convenables. Mais est-ce que au niveau de votre direction ou du ministère tout entier, est-ce que, euh, est-ce que les gens s'attellent à monter des projets euh, gigantesques qui peuvent justement répondre à, ces, besoins et des projets qui peuvent être soumis au niveau d'un certain nombre de bailleurs Merci de, fonds. cette question. Le ministère des enseignements professionnels s'est doté d'une direction des infrastructures et des équipements pédagogiques depuis, euh, l'année 2014, je crois, si je ne me trompe. Et, cette direction-là, elle a élaboré des plans types. Tous nos établissements que vous voyez, que je vous ai cités, les, les, les, CFM, e là, ils ont des plans types. Les CET, là, ils ont des plans types. Les CFPT. Si un bailleur vient, il doit donc travailler avec les plans types adoptés par le gouvernement du Niger à travers notre ministère. Ça, ça existe et les projets qui sont là pour faire des infrastructures, c'est sur ça donc qu'ils se basent pour, faire, pour nous faire euh, des appuis dans le cadre des infrastructures. Je vais finir la liste de, de mes obstacles. Allez-y. Parce que j'ai parlé de deux, il y a, l'insuffisance des, ressources, financières, pour pouvoir réviser l'existence des curricula et élaborer de nouveau. Parce qu'il faut élaborer de nouveau. Il y a également l'insuffisance des équipements. Malgré les efforts, il y a des efforts qui ont été consentis de 2014 à aujourd'hui. On a équipé certains CFM, certains CFPT et certains lycées. Il y a même une enveloppe de 2 milliards qui a été consentie en 2016 avec euh, euh, euh, le budget de l'État pour pouvoir équiper les lycées et les CPD. Donc malgré cela, nous sentons que jusque-là, ce n'est pas encore arrivé, comme disent nos voisins de l'Ouest. Et enfin, une autre insuffisance, c'est l'insuffisance des formateurs qui doivent des formations plutôt, les formations technico-pédagogiques. Dans ta propre technique, on doit te, euh, on doit te renforcer. Et dans la pédagogie, comment conduire une formation Et, et ça, ce n'est pas toujours le cas, ça manque. ça se fait, mais c'est insuffisant. Même cette année, on en a fait en 2016 et en, 2017 aussi, c'est programmé, mais je vous dis que c'est insuffisant. Voilà ce que je peux appeler comme insuffisance et ce sont ces insuffisances qui sont des obstacles pour l'atteinte de la mission à nous confier par le gouvernement de la 7e République. Euh, euh, on sait que certaines, certaines de ces écoles qui les plus vieilles euh, d'ailleurs ont aujourd'hui euh, perdu beaucoup de, de, de, de matériel, euh, de travaux dont vous avez parlé tout à mhm. l'heure, matière, la matière, matière d'œuvre. Mhm. on peut peut-être penser au, centre technique Kalmaharo de Niamey, au centre de formation et de perfectionnement. Je voudrais en venir de formation et de perfectionnement. Il s'appelle plus maintenant centre technique Kalmaharo. Depuis cette rentrée-là, je, le dis à tous les parents, que c'est le lycée professionnel Kalmaharo et il n'y a plus de concours pour entrer, c'est une orientation, tout comme l'orientation pour aller au lycée technique. Pourquoi c'est le gouvernement qui l'a décidé ainsi, pour augmenter l'offre de formation dans les différentes filières de, de, la. Pas besoin de concours. Pas besoin de concours pour aller au, Kalmaharo, qui est devenu, professionnel. lycée, professionnel. Et le CFPA que les gens ont connu, il n'est plus CFPA, il est lycée professionnel amitié Niger-Algérie, LPANA. Et là aussi, on ne fait pas de concours. Avant, c'était concours, mais maintenant, c'est dès qu'on a le brevet avec une, les conditions requises par pour l'orientation, on oriente les enfants et il faut que les parents soient attentifs l'année, la première année, c'est 2016-2017. Maintenant, la prochaine année, il faut que les parents prêtent attention dans le cadre du choix de l'orientation scolaire de leurs enfants. Et le CFPP, le CFPP, très bien, le CFPP. Il reste, il garde encore le CFPT AMA de Sarikobu, quartier de Niamey. Et tous les CFPT du Niger. CFPP, je, sais, j'ai compris votre question. Le CFPP, c'est celui qui est à Gamkali. Oui. Le CFPT AMA, c'est celui qui est à Sarikobu. Plus les CFPT, qu'ils soient dans les chefs-lieux de région ou dans les départements, là, il faut faire concours après BEPC, après admission maintenant on est orienté dans ces établissements. Voilà des informations que je veux que les parents cernent parce que nous constatons que quand on fait les orientations scolaires après BPC, certains parents ne savent pas comment guider leurs enfants. Vraiment, euh, c'est un travail de sensibilisation que nous devrons poursuivre. Alors, trouvez-vous qu'il y a à ce jour adéquation entre la formation qui est dispensée et, la demande sur le marché de l'emploi je vous assure, moi je trouve que le Niger est en train de faire des, grands pas. Si moi je prends mon cas, l'année où moi j'ai fait mon bac, à comparer à aujourd'hui, mais le Niger a fait des grands pas. Moi j'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac en 84, 1984. À comparer à aujourd'hui 2017, un grand pas dans quel domaine Un grand pas. Expliquez-nous. Un grand pas dans dans le, le, développement de l'offre de formation parce que les établissements ont augmenté, les élèves ont augmenté, la population du Niger a augmenté. Donc, le Niger a essayé de faire face à la demande parce qu'il y, y, y a une grande population d'enfants qu'il faut scolariser et qu'il faut donc appuyer à poursuivre des études et, et, à leur apprendre des métiers, même s'ils ne font pas des études longues. Donc là, c'est des grands pas. Voilà pourquoi je dis que le Niger est en train d'avancer mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il avance au pas des géants, de, des grandes puissances. Voilà ce que je peux euh, répondre à votre question. Euh, est-ce que vous pensez que le Niger gagnerait mieux à investir dans l'enseignement professionnel et technique Merci. Ça, ça m'amènerait à revenir par rapport à ce que j'ai vu dans l'annuaire statistique de, mon ministère qui date de 2014-2015. Cette annuaire-là présente de nombreux indicateurs dont le taux d'inscription à l'EFPT, l'enseignement et la formation professionnelle technique, il qui inclut en même temps l'apprentissage, eh bien, et qui montre que les progrès accomplis à l'avènement de, la septième République, je vais vous les citer, puisqu'ils étaient de 8%. De, les, élèves de l'EFPT, ils étaient de 8%, ils étaient de 8 en, 2008, euh, en 2009 de ceux du de, secondaire. Maintenant, à partir de 2013, ils sont passés à 15,5%. Les efforts ont continué et on est passé à 21,89% en 2014. Et ils ont atteint 25,57% en 2015 en rappelant que le président de la République, quand il a prêté serment, il a donné la vision d'atteindre 25% des élèves de l'EFPT en fin 2015. Nous avons dépassé, c'est très léger, mais c'est 0,57%. Maintenant, le président de la République, pour porter la euh, un accent particulier donc, pour, pour prioriser la, formation de l'enseignement et la formation professionnelle des techniques. Il veut que nous atteignions 40% d'ici 2021. 40%, 40 de, jeunes, qui, jeunes dans l'EFPT comparativement à ceux de l'enseignement secondaire. Donc voilà une vision, voilà ce qui peut nous guider à fournir plus d'efforts et à demander plus de moyens. Voilà, à 18 euh, h passées de 51 minutes, je rappelle juste que nous devrions être avec euh, euh, Nassirou Munkaila, qui est le secrétaire général de l'Union des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger, qui apparemment n'est toujours pas là avec nous, raison pour laquelle nous continuons à, échanger quand même sur la thématique du jour qui est l'état des lieux de l'enseignement professionnel et technique. Alors, peut-être qu'on l'a déjà dit, on va encore y revenir. Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement par l'État pour améliorer davantage l'offre de la formation professionnelle et technique Bien. Et ce que vous avez posé comme question, nous, avons essayé de répondre. Je vais revenir un peu sur des détails pour améliorer l'offre de la formation professionnelle et technique et même de l'orientation et l'insertion professionnelle. Le ministère a élaboré un dépliant que je vais vous laisser, mais qui n'est pas encore mis à jour parce que les changements de certains décrets, il faut actualiser. Alors le ministère a sous sa tutelle, j'ai bien dit, des établissements publics. Il y a trois lycées. Technique, il y a un seul. Technologique, il y a deux. Le un seul, là, tout le monde le connaît, il est Sankasawa de Maradi. Les technologiques, c'est celui de Difa ah, et celui de Douti. Et je vais rappeler les filières, pour, parce que nous, nous revenons en détail. Les filières du lycée technique que j'ai fait, je peux vous les citer mais arriver à certains établissements, parce que les parents ont besoin de connaître les filières. Je le dis parce que ceux-là qui nous écoutent, ils ont besoin de ça. Rappelez-nous plutôt les, filières de ces nouveaux euh, lycées dont vous avez parlé. Vous avez parlé trois. Même euh, les, anciens, certains ne connaissent pas leurs filières. Les nouveaux, là, c'est le lycée de Difa. Il y a la pétrochimie, puisque vous savez que on exploite le pétrole là-bas. Et l'électronique, le génie électronique. Au niveau de Difa. Au niveau de Et Duchi Et, au niveau de Dogondouchi. Au niveau de c'est la filière BTP, c'est-à-dire bâtiment et travaux publics. C'est ça que au lycée technique, on appelle le génie civil. La filière F4. C'est Et technique commerciale, la série G3. Donc voilà les deux filières de ces deux Mais il y a des lycées professionnels aussi, que je vais euh, citer. À Agadez, c'est le lycée d'hôtellerie-tourisme. Donc, vous voyez, déjà, dans l'appellation, on a ciblé les filières, hôtellerie et tourisme. C'est des parents qui veulent que leurs enfants soient formés dans ces domaines. Il y a le lycée d'Agadez. Je prends le cas de Terra, qui est son nommé parce qu'ils ont ils été créés la même année. Le lycée professionnel de Terra était lycée agricole. Il y a la filière protection végétale et protection animale. Voilà les nouveaux. Maintenant, il y a d'autres nouveaux qui sont nés par après. Le lycée de Tawa, c'est maîtrise topographe et il y a une seconde filière, je ne sais pas, je, doute entre climatisation. Mais dans tous les cas, c'est deux filières. À, Zender, malgré l'existence du, du, CFPA qui est devenu l'EPANA, il y a un CFPT qui fait la formation en deux ans. Ils ont aussi un lycée professionnel. Ce lycée professionnel de, choses, il fait froid climatisation euh, au niveau de choses euh, de, de, Zender. Et il y a une autre deuxième filière aussi que je ne sais pas. Je suis dans un domaine que je ne maîtrise pas parce qu'il y a un autre collègue directeur qui gère ces, Exactement. C'est pour que les parents comprennent bien. Je vais citer aussi euh, les différents. Euh, bon, les centres, je crois que les centres, les centres, les, les parents ont on a déjà cité. Il y a un à Tanout, parce que les parents peut-être ne savent pas. Il y a un à Tanout qui a ouvert ses portes, il y a un à Filengue qui a ouvert ses portes à la rentrée là, et un à. Et qui accueille euh, des, élèves. Qui, accueille des, élèves euh, euh, sortis de la troisième avec BEPC e après admission sur concours. Et le troisième, le troisième c'est, je crois, Zander. Bien. Et quelles sont, quelles sont les autres mesures qui, à votre avis, restent à être mises en œuvre pour pour que l'enseignement professionnel et technique puisse vraiment euh, devenir, être euh, un véritable levier de développement. Très, très bonne question que les parents euh, attendent la réponse. Et nous autres, vous savez, le, ministère des enseignements professionnels et techniques a été doté d'une loi, la loi 2015-22 du 23 avril 2015, qui détermine les principes fondamentaux de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Cette loi c'est elle qui a délimité tous les champs. Elle a, délimité tous les champs. OK Donc, actuellement, le ministère est à pied d'œuvre à l'élaboration des textes réglementaires, c'est-à-dire les décrets d'application. Parce que dans cette loi-là, ce que vous avez dit en introduction, tout le balisage là, nous sommes en train d'élaborer les textes d'application pour la mise en œuvre de ces, de ces de l'ERPT. Et ça, à travers l'adoption de ces textes, nous allons également régler le problème de ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels et expérientiels. Un, élément que toutes les fédérations artisanes, la CEMANI en, grosso modo, ensuite la, FNAN de façon générale, et toutes les organisations des artisans nous attendent sur ce, chantier-là pour faire la validation. Parce que c'est des professionnels, c'est des gens de métier, ils savent faire le métier. Mais aujourd'hui, quand il faut prendre, par exemple, eh, eh, eh, quand il faut les prendre pour un, métier, on ne sait pas à quel, niveau il faut les prendre. Donc il faut faire des examens de validation de, de leur expérience, même s'ils ne peuvent pas écrire ils ne peuvent pas lire. De par leur expérience, ils savent, les réparateurs, les garagistes, là, c'est eux qui n'ont pas été à l'école, mais c'est eux qui réparent nos, voitures. Donc, nous sommes sur ce chantier et le ministère, le ministre des Enseignements professionnels et techniques est à pied d'œuvre. Il a mobilisé toute son équipe pour que ces textes de décret-là soient vraiment adoptés de façon à ce qu'on commence cette validation. Voilà des éléments que je pense vont améliorer encore de façon euh, plus globale la diversification de la formation. Quel, quel, est le principal défi, selon vous, qui reste à relever, surtout quand on voit qu'il y a assez d'étrangers sur les chantiers Très bien. Ça, je suis content que vous ayez parlé de ça. Avant-hier, j'étais avec euh, Son Excellence, Monsieur le ministre, à La plupart des manœuvres, des contre-mètres qu'on a trouvées sur un chantier de construction du lycée technologique de Dogonduti, ils viennent de l'extérieur. Les nôtres, ils n'ont pas appris ce métier. Eh bien, Pourtant, il y a des centres qui, qui forment à ces métiers il y a des centres, c'est vrai. Mais nous, nous avons été en retard. Ces centres-là sont nés quand Même le lycée qu'on est en train de construire, il est né quand Donc, c'est pour dire que le Niger, de, ce point de vue-là, le Niger a dormi. Je, vous ai rappelé qu'on a fait 40 ans avec un seul lycée. Dans ce débat-là, j'ai parlé de ça. Et c'est maintenant que le Niger est en train de se réveiller et que nous j'attire l'attention. Je sensibilise la jeunesse nigérienne à aller fréquenter ces établissements pour apprendre le métier pour qu'ils viennent remplacer cette, euh, euh, cette diaspora, diaspora euh, chose extérieure qui vient nous envahir. Et qu'est-ce que vous vous dites vous-même Moi, moi personnellement, je suis fier aujourd'hui parce que c'est le, pays qui m'a formé. Moi, j'ai étudié à l'extérieur, mais je suis revenu au pays. Je suis revenu et je suis encore reparti pour, pour, pour être renforcé. Tout à l'heure, on parlait de formation continue. J'ai renforcé mes capacités et je suis revenu. Donc, je veux que les jeunes de maintenant imitent les anciens. Merci. Nous sommes arrivés au terme du forum de ce soir. Nous étions avec euh, Haladou Magaji, directeur de la formation professionnelle continue de l'apprentissage au ministère des enseignements professionnels et techniques. Nous avons également invité Nassir Munkela, secrétaire général de l'Union des écoles et instituts de l'enseignement professionnel et technique au Niger, qui n'a pas pu nous rejoindre. Présentation à la Sankouzi Mamadou, réalisation Diallo, Diallo Boubacar, à la technique Hassan Tawé. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour une autre thématique.